Chers euh, auditeurs euh, des 52 radios partenaires euh, du studio Kalangou, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du forum de studio Kalangou un an de mise en œuvre des nouvelles réformes dans le système éducatif au Niger, quel bilan est notre thème de ce soir Le plus grand défi du Niger réside depuis son indépendance dans les faiblesses de son système éducatif, déclarait le président de la République Mohamed Bazoum dans son discours d'investiture du 2 avril 2021. Pour cela, nous avons besoin prioritairement de faire deux choses promouvoir une bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif, promettait-il aux Nigériens. Peut-on parler de progrès de l'école nigérienne un an après cette mise en œuvre de nouvelles réformes dans le secteur Quelles sont les actions attendues pour aider l'école nigérienne à redorer son blason Pour euh, en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Dr euh, Amadou Abdou Ali, il est le directeur général de la promotion de la qualité au ministère euh, de l'Éducation nationale. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Notre euh, deuxième euh, invité est Monsieur Mamoudou Isaka. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN. E monsieur le SIG, bonsoir. Bonsoir à vous. Et bienvenue à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour le forum de ce soir et pour thème un an de mise en œuvre des nouvelles réformes dans le système éducatif au Niger. Quel euh, bilan pour planter le décor euh, Docteur Amadou Abdou Ali, directeur général de la promotion de la qualité au ministère de l'Éducation nationale. Comment se porte le système euh, éducatif nigérien de votre point de vue actuellement Merci Michel de l'opportunité que vous nous offrez pour parler de réformes entreprises dans le système éducatif nigérien afin de l'améliorer. Notre système éducatif est caractérisé par la faiblesse des acquis scolaires, ce système est aussi caractérisé par le non-professionnalisme d'un grand nombre d'enseignants mhm. et tous ces facteurs contribuent à la contre-performance de notre système éducatif. Mhm. Donc face à ces problèmes qui assaillent notre système éducatif, il faut envisager des réformes mhm. afin d'améliorer qualitativement et quantitativement le système. C'est dans ce sens que plusieurs mesures ont été entreprises au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Ces mesures sont déroulées sur plusieurs programmes, à savoir l'accès et l'équité de l'éducation, euh, la qualité de l'éducation, il y a le système alphabétisation et le pilotage et la gouvernance de notre système éducatif, mmh. donc qui constituent des points saillants sur lesquels il faut agir pour améliorer notre système éducatif. Merci beaucoup. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse euh, utiliser pour changer le monde, disait l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, pour montrer à quel point l'éducation constitue un facteur important de changement positif euh, pour toute euh, société. Selon l'UNICEF, cette éducation est d'ailleurs essentielle à la réalisation de chacun des 17 objectifs de développement durable ODD 2030. Mamoudou Isaka, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, pensez-vous, comme le chef de l'État, que le plus grand défi du Niger réside euh, depuis son indépendance euh, dans les faiblesses de son système éducatif Je vous remercie vraiment pour l'occasion que vous nous offrez pour nous prononcer sur cette question. Mm. Effectivement, depuis l'indépendance, le Niger a connu plusieurs problèmes. On a passé à plusieurs moments par faire des conférences à Maradi, à Zender, euh, jusqu'à la conférence nationale, mm. le problème de l'éducation reste le même. On n'a pas pu trouver des solutions par rapport à la baisse des niveaux surtout. Mm. Il y a une loi en 98 il y a et il le rappeler. Est-ce que ça n'a pas contribué à résoudre certains problèmes dans le domaine ça a résolu un peu ce que ça a pu résoudre, mhm. mais malheureusement, on n'a pas fait long chemin. Les mhm. problèmes Le problème est revenu. Et quels sont ces problèmes aujourd'hui Quels sont en réalité les grands le problèmes plus grand problème que nous avons, les messieurs le directeurs les avaient cités essentiellement, mhm. c'est la faiblesse des acquis de nos apprenants et la professionnalisation insuffisante des enseignants que nous sommes sur le terrain. Cela a ses causes c'est lié. Il y a un problème de, fond. Qu'est-ce qui manque C'est parce que tout simplement, un certain moment, on avait permis à n'importe quel Nigérien qui le désire, quel que soit son profil, d'être enseignant. Mhm. Vous parlez de la contractualisation, c'est ça surtout, il faut remonter jusqu'en 98 avec les volontariat. Mhm. Le SNEN avait sonné la, a fait la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des responsables d'alors. Faites attention, ça peut nous amener loin. Mhm. Malheureusement, on ne nous a pas suivis. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Mm-hmm. Mais à mon avis, le plus grand défi pour nous tous en tant que citoyens, c'est d'abord comment sortir ce pays-là de ce problème de l'éducation. Il y a donc euh, véritablement deux problèmes, comme ça a été dit au tout début donc euh, de ce forum. Alors, monsieur le directeur euh, en charge de la promotion de la qualité au niveau du ministère de l'Éducation nationale, quelles sont les actions entreprises pour y remédier par rapport à tous ces problèmes que nous avons vus à l'instant Merci. Michel. Mmh. Donc, euh, au regard de ces défis, plusieurs réformes sont entreprises au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes confrontés au Niger à plusieurs défis d'ordre sécuritaire, climatique, démographique, et <clears throat> cela a un impact sur la qualité de notre enseignement. Mais au niveau du ministère de l'Éducation nationale, sous l'impulsion de l'engagement du président de la République qui a fait mmh. de l'éducation son cheval de bataille, plusieurs réformes sont entreprises pour améliorer qualitativement notre système éducatif. Mmh. Le premier point, c'est d'abord au niveau de l'accès et de l'équité de l'éducation. Nous savons <clears throat> au Niger que à peu près 600 000 élèves sont inscrits au CI chaque année. Plus 600 000. Oui, c'est important. Donc mmh. chaque année, le nombre augmente. Euh, il y a trois ans, on était à 500 000, mais mmh. chaque année, donc le nombre d'élèves qui ont l'âge d'être scolarisés mhm. augmente progressivement. Mhm. Et les derniers chiffres tournent autour de 600 000. Mhm. C'est important. Euh, donc il faut accroître les capacités d'accueil des établissements scolaires. Parce que pour apprendre, il faut avoir un environnement physique acceptable pour que l'élève puisse avoir une classe, s'asseoir, suivre, comprendre ce qui lui est enseigné. Donc c'est ça le premier point sur lequel nous avons mis l'accent au niveau du ministère de l'Éducation nationale mhm. pour que plusieurs enfants puissent avoir des conditions acceptables. Ça veut dire qu'à ce niveau, il faut construire euh, des classes en matériaux définitifs, c'est bien cela Oui, c'est ça l'objectif. Nous voulons éradiquer les classes payantes que nous avons dans notre système mhm. scolaire. Je ne vous cache rien, les dernières statistiques disent que nous avons à peu près 36 000 classes en paillote dans notre système éducatif. 36, 000. 36 000. classes paillotes. Mhm. Sur, à l'échelle nationale. Mhm. Oui. Donc, il faut éradiquer ces classes paillotes si mhm. nous voulons de la qualité. C'est un travail titanesque, certes, mais il y a de la volonté tout court pour que à moyen terme, il n'y ait plus de classe payote au Niger. Mhm. On rappelle d'ailleurs qu'en avril 2021, 21 élèves, euh, tous euh, des préscolaires, euh, ont trouvé la mort dans un incendie de leur classe en payote à Niamey. En novembre 2021, au moins 26 élèves sont morts calcinés dans un autre incendie tragique qui a consumé leur classe payote à Maradi. Que propose le gouvernement face à ce épineux problème de classe oui. payote Est-ce à dire que vous êtes déjà en train de les remplacer Si oui, combien de classes les sont déjà construites euh, oui, Il y a eu des, réflexions dans ce sens pour euh, résorber les classes payotes que nous avons. Mhm. Euh, dans un premier temps, il y a eu une réflexion avec les architectes mhm. pour mettre au point un modèle alternatif de classe qui coûte moins cher, qui est adapté à notre climat et qui dure. Donc, les architectes ont compétit et il y a quelques semaines, en Conseil des ministres, les différents modèles retenus par le ministère ont mmh. été validés. Mmh. Donc cela va amener le ministère de l'Éducation nationale à financer à moindre coût les infrastructures mmh. scolaires, notamment les classes. Donc en plus de cela, euh, avec nos partenaires, comme vous l'avez dit, la tragédie qui a eu lieu donc, a émis la communauté internationale. Donc avec les partenaires, nous avons euh, un ambitieux programme de remplacement de l'ensemble de nos classes payotes à moyen terme. Nous en avons 36 000, c'est ça oui, 36 Alors que chaque année, le nombre euh, d'élèves euh, en âge d'aller à l'école euh, augmente. Nous avons, vous avez dit, 600 000 mm. élèves inscrits en mm. classe de CI chaque année. Actuellement, on peut estimer le nombre de nouvelles classes en matériaux définitifs à combien, monsieur le directeur en, 2021, mm-hmm. d'après les résultats que j'ai reçus de la direction des infrastructures scolaires. En 2021, il y a à peu près 2000 classes mhm. nouvelles qui ont été construites en matériaux définitifs. matériaux mhm. oui. Et nous allons donc euh, accélérer ce programme de construction euh, de classes en matériaux définitifs mhm. dans les années qui vont venir. Euh, se programmer. À quand donc la fin des classes en période au Niger Je ne peux pas vous donner une date fixe, mais au regard des efforts qui sont entrepris et de nos partenaires techniques et financiers qui nous appuient, mhm. nous pouvons dire qu'à moyen terme, mhm. nous pouvons éradiquer les classes payotes au Niger. Merci beaucoup, mm. docteur euh, Amodo Abdouali. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la promotion de la qualité au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Mamoudou Issaka, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. E Quelle analyse euh, faites-vous par rapport à cette euh, situation justement d'accès à des classes construites à matériaux définitifs qui d'ailleurs figurent parfois dans vos revendications au niveau des enseignants Par rapport à cette question des classes en payotte, il y a un atelier à Dosso, peut-être le détenir l'a pas rappelé, mhm. pour valider le modèle de classe alternatif qu'il nous faut. Mhm. Effectivement, nous étions partie prenante. On a trouvé le modèle. Bon, nous, on parle plutôt de 40 000 classes, pas 36 mhm. 000 pour avoir une marge. Nous, nous sommes 100%. Donc, il y a un modèle de classe euh, alternatif qui a été proposé. proposé, validé mhm. avec les partenaires sociaux que nous sommes. Ce mhm. n'est pas le ministère seulement qui l'a fait vraiment, il a c'est une démarche mhm. mhm. participative mhm. qui a eu lieu et nous étions partis prenants. Monsieur le directeur, euh, euh, des précisions par rapport, par rapport euh, au, modèle, modèle de classe alternative. Nous savons qu'auparavant, donc une classe en dur, en matériaux définitif, coûte à peu près 10 à 11 millions de francs CFA. 10 à 11 millions. Oui. Avec le modèle alternatif, donc le modèle, c'est plusieurs modèles. Hein. Il y a des modèles en, banco, des modèles en semi-dur, des modèles avec des pierres selon les régions et des modèles en, béton. Mhm. Donc, il y aura des cloisons donc, qui seront euh, faites après. Mhm. Donc, avec ces modèles-là, euh, le coût d'une classe va revenir moitié moins cher par mhm. rapport au coût initial que nous avons. Environ 5 millions. Environ 5 à 6 millions sans l'équipement. Et les constructions de ces classes euh, vont commencer quand Puisqu'il y a deux ou trois semaines que le Conseil des ministres a déjà validé ces modèles de classe alternatives, c'est-à-dire que dans les prochains dossiers d'appel d'offres qui seront faits pour la construction des classes, ce sont ces modèles-là qui seront imposés techniquement mhm. pour les opérateurs qui veulent construire des classes au Niger. Merci beaucoup. Dans son bilan de 10 ans de mise en œuvre de ces programmes, l'ancien président de la République, Issouf Mohamedou, avait indiqué dans son message à la nation en date euh, du 17 décembre 2020 que plus de 18 000 classes ont été construites, soit autant que toutes les décennies précédentes cumulées. De même, 63% des agents recrutés à la fonction publique relèvent du secteur de l'éducation. Fin de citation. Monsieur le secrétaire général adjoint du SNEN, e quelle explication donnez-vous à ces défis qui se posent toujours au système éducatif nigérien malgré tous ces efforts Malgré tous ces efforts, nous, au niveau des syndicats, nous disons que ça reste beaucoup à faire. On a recruté des enseignants à la fonction publique, mais le stock de contractuels à l'heure actuelle est important. Mhm. C'est vrai, tout récemment, on a vu une circulaire mettre fin à la contractualisation dans le système éducatif. Mhm. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes prêts, en tout cas au niveau Disney, à accompagner cela. Hmm. Mais il faut que ce soit vraiment une très bonne manière de mettre fin à la contractualisation. Et à ce fait, le SNEN e est prêt à accompagner le gouvernement à travers des propositions. Mais on dit que le défi reste. Tant que des élèves nigériens, en partant à l'école, les parents n'est pas sûr qu'ils vont revenir demain, ça reste toujours un. Euh, un problème et pour l'État et pour nous autres enseignants. Vous faites pas... donc à l'insécurité qu'on a dans certaines régions du pays. J'ai fait surtout cas des classes en paillotte qui arrivent à brûler. pour mhm. C'est pourquoi nous avons dit, nous accompagnons vraiment l'État pour qu'on puisse, parce que nous sommes vraiment d'accord avec ça, pour mhm. qu'on puisse mettre fin à cette histoire de classes en paillotte. Mhm. En ce qui concerne l'insécurité dont vous parlez, c'est un problème très sérieux, surtout dans la région de Tilabéry. Lorsqu'on menace un enseignant, il faut qu'il change de métier. Mm. Mais pour devenir quoi Rejoindre les terroristes à, Toro dit tout récemment, on a menacé nos collègues, il faut qu'ils changent de métier que d'être enseignant. Quand vous partez un petit euh, dans Tilaberi, mm. Teraba, le triste record de nombre d'écoles fermées, aujourd'hui tous ces enseignants ont été redéployés ailleurs, les élèves sont là, laissés à eux-mêmes. Mm. Donc vraiment, nos camarades en zone d'insécurité, ils ne sont pas en sécurité. Et nous comptons beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le gouvernement pour qu'il puisse trouver de nouvelles méthodes. Même en temps de guerre, l'élève a droit à l'éducation. En Afghanistan, on étudie. En Colombie, c'est le C'est un droit inaliénable à la personne humaine. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général en charge de la promotion de la qualité de l'éducation au Niger. Que fait donc le gouvernement face à cette situation d'insécurité qui touche les écoles Merci bien. Euh, nous savons bien que dans certaines parties de la région de Tilaberi, nous subissons donc une insécurité injustifiée mhm. qui n'a pas sa raison d'être et qui fait beaucoup de victimes innocentes. Mm. Donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes conscients de ce fait et nous avons pris des dispositions pour que les parents qui sont déplacés pour cause d'insécurité puissent retrouver des centres où leurs enfants peuvent suivre leur scolarité. 672 écoles fermées et 62 610 élèves non scolarisés à cause de l'insécurité dans la région de Tilaberi avait révélé en janvier 2022 une étude du Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU au Chat. Ça, c'est seulement pour la région de Tilaberi. Ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de rouvrir ces écoles fermées au nombre de 672, euh, par exemple, dans la région de pas, Tilaberi. On ne peut pas les rouvrir euh, toutes parce qu'il y a des l'insécurité euh, résiduelle dans certaines régions et nous ne voulons mhm. pas mettre en danger la vie de nos enseignants mhm. et de nos élèves. Mhm. Mais pour euh, les parents qui se sont déplacés dans la région de Tilaberi, nous avons identifié 19 centres de regroupement. Il y a déjà un qui est opérationnel, celui de Walam, où des populations déplacées où les enfants des populations déplacées sont reçus dans ces établissements-là pour poursuivre leur scolarité. Et dans les autres régions du pays, notamment à Difa À Difa aussi, nous avons quelques cas, mais c'est surtout dans la région de Tilaberi que le problème est plus crucial. Euh, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous mettons euh, l'accent sur l'accès, parce que l'éducation, c'est un droit, c'est inscrit dans la Lausanne, à l'article 57. Donc l'État a le devoir d'assurer l'éducation à tous les enfants du pays. Mhm. Donc nous sommes conscients euh, de ce devoir et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous créons les conditions pour que le maximum d'enfants en âge d'aller à l'école puissent aller à l'école. Pour cela, donc nous avons sollicité la communauté éducative à travers des forats régionaux. Mhm. où les chefs traditionnels, les parents d'élèves, euh, tous les partenaires de l'école ont apporté leur contribution pour rehausser ce taux d'accès à, à l'école. Des efforts sont faits puisque quand vous prenez le taux brut de scolarisation. Chaque année, il croît. Mhm. Donc nous sommes maintenant à peu près à 68%. Par rapport à la sous-région, donc c'est un taux moindre, mais des efforts sont faits chaque fois pour que ce taux-là augmente pour mhm. être au même niveau que le taux brut de scolarisation dans la sous-région qui tourne mhm. autour de 90%. Mhm. Le taux de scolarisation, c'est-à-dire euh, les gens qui sont en âge d'aller à l'école et qui partent à l'école, c'est 68%. 68%. pour, le, donc, pour le euh, primaire. Pour, le, primaire, ah Nous mm. avons donc environ 32% d'enfants qui ne partent pas à l'école. C'est immense, on a l'impression. c'est important euh, le nombre d'enfants qui ne partent pas à l'école. Les dernières études ont relaté que c'est à peu près près 2 millions, d'enfants et demi en âge, d'aller à l'école, mais qui, n'ont pas cette chance d'aller à l'école. Mhm. Mais pour ce faire, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, à travers la Direction générale de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation, mhm. nous avons donc euh, entrepris des stratégies pour que ces enfants out school, qui sont soit déscolarisés ou qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, mhm. puissent reprendre euh, le chemin de l'école. Nous avons créé au niveau du ministère de l'Éducation nationale plus de 400 centres passerelles hum. où des enfants déscolarisés ou out of school seront récupérés pour être formés et regagner le cycle normal. Hum. Et de nos jours, il y a certains élèves qui ont été récupérés, qui sont même arrivés à l'université et ça, c'est une prouesse. Hum. Mais pour le moment, quand même, nous avons donc euh, environ 2,5 millions d'enfants au niveau du primaire en âge d'aller à l'école, mais qui ne vont pas à l'école. Dans sa... mais, il y a aussi mhm. euh, l'éducation non formelle à travers euh, les, les makrantas, c'est-à-dire l'école coranique. Mhm. Donc, à ce niveau aussi, des efforts sont entrepris pour que les enfants qui sont dans les écoles coraniques, qui sont aussi nombreux, qu'ils puissent adhérer, puissent, être formés mhm. donc dans la langue et les mathématiques. En dehors de, mhm. de l'arabe qu'ils mémorisait, il faut leur apprendre le français et les mathématiques pour qu'une fois dans la vie, ils puissent se débrouiller. Mhm. Mhm. Ceux qui sont récupérés au niveau des Macrantas donc qui sont formés, eux aussi regagnent les MEDERSA et les établissements franco-arabes pour mhm. continuer leur cursus scolaire. Monsieur le directeur général, dans sa déclaration de politique générale du gouvernement DPG, il a indiqué que le gouvernement entend hausser la part du budget national pour ce secteur de 20 à 22 Qu'en est-il euh, par rapport euh, à la réalité sur le terrain oui, le budget de l'éducation nationale est consistant, il faut le reconnaître. Mhm. Euh, le budget 2022 tourne autour de 265 milliards de francs CFA. Mhm. Donc c'est un budget consistant pour euh, l'éducation. Mm. le pourcentage pour l'éducation, ça équivaut à combien actuellement Pour, l'instant, c'est autour de 19%, mais le président a pris l'engagement de mm-hmm. l'amener à 22%, mm-hmm. donc pour que plus d'investissement euh, ait lieu au niveau de l'éducation nationale. Mm-hmm. Et peut-on dire que le gouvernement dispose des moyens lui permettant d'assurer une bonne mise en œuvre de sa politique éducative euh, dans ce contexte euh? Il y a certes le contexte d'insécurité. Malgré tout, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre les moyens à la disposition du ministère de l'Éducation nationale afin que les défis soient relevés. Mahmoudou Isaka, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, euh, SNEN, quelles sont vos vraies attentes euh, au niveau du SNEN en tant que syndicat des enseignants du Niger euh, pour que l'école nigérienne puisse justement redorer son blason Le premier problème qu'on voit à, l'intention de ce gouvernement, c'est le respect des accords pris. Hum. Tout récemment, il y a un protocole d'accord avec la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation qui est signé, ce qui est une très bonne chose. Vraiment, nous, déjà, on a mis en place un comité de suivi qui est installé, l'arrêté dans les Turquie qui, qui, l'officialise. Donc, vraiment, on veut le respect des accords. Autre chose, le paiement à terme issu de pécule. Mhm. On sait bien, ça fait deux mois, si vous avez regardé, le mois passé, ce mois passé, et ce mois-ci, vraiment les pécules ont été payés à temps. Mhm. Tant qu'on continue à payer les pécules à temps, la gestion du temps scolaire est un acquis. Mhm. Mais tant qu'il y a des débrayages avec les syndicats Partis par-là, ce ne serait pas du tout facile pour nous de gérer cette question. L'autre aspect fondamental, c'est la contractualisation. Mhm. Moi, je dis déjà, le chef de l'État a annoncé qu'il va mettre fin à la contractualisation. Le ministre de l'Éducation nationale a pris un acte que nous avons tous vu, qui montre qu'à travers des cohortes, nous on va parler de vagues d'enseignants, mhm. avant la fin du mandat ou bien d'ici 10 ans, on est sûr que le ministère mettra fin à la conférence. Donc là-bas, vraiment, nous attendons sérieusement le gouvernement sur ces aspects-là. Oui, monsieur le directeur général, allez-y, des précisions donc. Euh, par, rapport au, personnel enseignant, donc nous nous mhm. sommes dit que on ne peut pas faire de la qualité dans l'éducation tant qu'on n'a pas un personnel enseignant professionnel. Mhm. Si nous prenons donc la configuration du personnel de notre euh, ministère, pour le personnel enseignant de notre ministère, mhm. nous constatons que à peu près 70% de ces enseignants sont des contractuels. Mhm. Et le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, donc a pris la décision d'arrêter cette contractualisation pour passer à la professionnalisation des enseignants. De nos jours, on ne recrute plus d'enseignants contractuels et un plan de mais les, contractuels qui sont là déjà, les enseignants contractuels qui ont déjà passé plusieurs années en train d'enseigner, qui ont ce statut, comment, que faites-vous d'eux Donc, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a instruit le ministère de l'Éducation nationale mhm. pour résorber progressivement ce flux important de contractuels que nous avons mhm. afin qu'ils deviennent donc des enseignants titulaires. Mhm. Donc, au ministère de l'Éducation nationale, déjà pour le secondaire, 2150 enseignants seront titularisés mhm. cette année. Auparavant, 335 enseignants scientifiques ont été directement recrutés à la fonction publique sans concours mhm. et cela va s'étendre aussi au niveau de l'enseignement primaire mhm. où on envisage de recruter 6000 enseignants. Donc, c'est des vagues successives donc, qui seront titularisées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus avoir de, de, Tous les contractuels Oui. En combien d'années environ bon, un plan, C'est un plan qui est là, que nous allons suivre. Et vu le nombre important d'enseignants que nous avons, mhm. contractuels, contractuels, contractuel, mhm. donc 70% du personnel enseignant, donc je pense que euh, à moyen terme, sans préciser de date, nous allons parvenir mhm. à euh, mettre fin à cette contractualisation pour qu'on ait des enseignants motivés, titulaires, bien payés, afin qu'ils puissent faire convenablement leur boulot. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'État ne recrute plus d'enseignants contractuels c'est fini. C'est fini. Mhm. Définitivement. Définitivement, on mhm. ne recrute plus d'enseignants contractuels. Et les réformes au niveau de l'enseignement primaire, c'est euh, le diplôme bac euh, qui a été. J'allais mhm. Donc euh, l'année passée, il y a eu donc un audit organisationnel et pédagogique des institutions de formation des enseignants du primaire et même de l'école normale supérieure qui forme les enseignants du secondaire. Donc nous nous sommes dit que pour voir euh, la qualité de la formation qui est donnée, il faut aller voir ce qui se passe au niveau de ces institutions de formation. Mhm. Donc nous avons visité ces institutions de formation et nous nous sommes rendus compte que le programme n'est pas adapté pour avoir de bons enseignants. Mhm. De même, le profil d'entrée dans ces écoles, qui est le BPC, mhm. n'est plus à l'ordre du jour. Quand vous prenez dans la sous-région, il y a des pays où c'est avec la licence qu'on part dans les écoles normales pour être instituteur. Au Niger, c'est à partir de la rentrée 2021-2022 que nous sommes passés au profil BAC. Avant, c'était le BPC. Avant, c'était le BPC. Mhm. Et quel BPC Parce que vous connaissez bien que le niveau s'est effondré. Mhm. Donc, les élèves arrivaient à l'école normale avec un bas niveau. Mhm. Ils en sortaient avec le diplôme et après, ils ne sont pas en mesure de prendre en charge les classes qui leur sont conférées. Donc, c'est pourquoi le président de la République a instruit de rehausser le profil, le niveau du profil d'entrée dans les écoles normales mhm. avec le niveau, le niveau bac mhm. où les étudiants, puisque c'est des bacheliers, vont suivre un an de formation euh, à l'école normale et la deuxième année, c'est une année de stage pratique pour mhm. se perfectionner afin d'être instituteur titulaire. Et à ce niveau, donc, beaucoup d'efforts euh, sont faits pour revoir d'abord le programme de ces écoles normales, nous avons tenu plusieurs ateliers pour refondre le programme des écoles normales mhm. à travers euh, l'APS qui est retenu dans les textes qui organisent le fonctionnement pédagogique de ces mhm. écoles normales-là. Donc les futurs euh, élèves maîtres qui vont sortir de ces écoles normales auront un niveau acceptable pour prendre en charge les élèves qui leur sont confiés. Est-ce à dire qu'ils vont être directement recrutés à la fonction publique Le président de la République donc, euh, a pris l'engagement que ces bacheliers, ils mhm. sont à peu près 2300 cette année, qui, mhm. font la formation d'instituteurs mhm les écoles normales, il a pris l'engagement qu'à la fin de la formation, ils seront automatiquement recrutés à la fonction publique. Et ça va continuer comme ça, le rythme Oui, le, rythme va continuer. C'est-à-dire aussitôt formés au niveau des écoles euh, normales, les personnes euh, qui acceptent donc à partir du bac d'aller dans ces écoles vont être recrutées directement à la fonction publique. Oui, c'est ça. C'est le nouveau système, c'est ça C'est ça la logique. Mhm. donc, parce qu'ils euh, ils ont le choix d'aller à l'université, mais s'ils ont accepté de venir par motivation et par vocation faire la formation d'enseignants dans ces écoles normales. Mm. Donc il faut être regardant à leur niveau et mm-hmm. donc assurer leur recrutement à la fonction publique parce qu'ils ils, veulent euh, faire euh, la vocation, de la, ils veulent faire la carrière de l'enseignant. Mm-hmm. Donc il faut les motiver dans ce sens-là. S'ils viennent et qu'ils savent qu'à la fin de la formation, ils sont recrutés à la fonction publique, je mm-hmm. pense qu'ils n'ont pas de raison de ne pas venir. Merci beaucoup. Monsieur Mamoudou Issaka, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger. Quelle lecture euh, faites-vous de ces nouvelles réformes que nous accueillons de plus en plus dans le système éducatif nigérien, notamment la question de l'admission au niveau des écoles normales à partir du niveau bac au lieu du BPC, comme c'était le cas il y a plusieurs années? Merci pour les réformes. Euh, c'est une très bonne chose. Personne ne peut dire le contraire le directeur l'a dit, moi j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Turquie. On a fait, on a comparé le système éducatif de 22 pays. Mhm. Malheureusement, nous étions ceux qui ont le plus bas niveau d'admission des enseignants. Mhm. Un ah peu partout, oui. Ça veut dire à partir de du BPC la, avec, Moi, quand j'ai dit BPC, il y a beaucoup qui étaient surpris. au primaire Pour eux, avec le BPC, pour eux, avec le bac, c'est tous les blancs. Mhm. Ils pensent qu'on n'est pas capable d'enseigner, on peut être un bon instituteur avec le bac, d'après eux. Et surtout quand vous voyez, je dis, le niveau de nos élèves qui ont le BPC, qu'est-ce qu'ils mhm. réellement ils peuvent apprendre de sérieux en mathématiques, en français. Mhm. Aujourd'hui, même nos étudiants, quand ils s'expriment, parfois on se pose la question mhm. exactement ce que réellement ils le sont. Donc, par rapport à la réforme, j'apprécie beaucoup le fait de rentrer avec le bac. Seulement, est-ce que quand ils vont aller sur le terrain, un problème va se poser comment seront leur admission, comment seront-ils considérés par rapport aux anciens instructeurs qu'ils vont trouver sur le, sur le terrain. Mhm. En termes de grade, ils vont sortir euh, bac une mhm. année sur le terrain, mhm. une année déjà à l'école. Ils seront considérés comme B1, mais vraiment des B1 qui seront, à mon avis, en termes de formation, améliorés par rapport aux autres. Or, l'expérience, c'est quelque chose. Donc c'est l'admission sur le terrain. Moi, je dis que les ministère doivent préparer pour les accompagner à être admis, à être intégrés par rapport aux autres enseignants qu'ils vont trouver sur le terrain. Mhm. Sinon, c'est une très belle chose. On aurait souhaité avoir la même chose. Aujourd'hui, le gros problème du Niger, en matière d'éducation, c'est le, niveau des enseignants, c'est le manque de manuels. Mhm. On n'a pas de manuels adéquats, de manuels qui conviennent par rapport à nos programmes. Mhm un des manuels, euh, des, des manuels scolaires. Mhm. Par exemple, un livre de maths, un livre de français. Mais il y en a, il y a des livres qui sont produits par l'INDRAP euh, au plan national. Au primaire, ça va un peu. Mhm. Mais un peu partout, normalement, quand on dit livre là, il y a le livre de il y a le livre de l'enseignant. Mhm. Aujourd'hui, vous allez trouver des enseignants qui, pendant leur carrière, n'ont jamais vu le livre de l'enseignant. Le livre du professeur, par exemple. Je prends en, en SVT, en anglais, en sixième, en cinquième. Ça n'existe pratiquement pas. Ils n'ont pas de livres spécifiques à eux. Il n'y a pas Ils de livres spécifiques. les livres des élèves. Les livres qu'on trouve, sur le, marché. Mhm. Et là, bon, vraiment, ça ne fait pas l'affaire. Mais mhm. avec ces ressources de niveau, je pas. Mais j'ai plutôt souhaité revenir par rapport à la contractualisation. Mhm. Monsieur le directeur aurait dû compéter avec la fonction professionnelle. Ça reste cette contractuelle qui seront intégrés. Mhm. Donc, si les ministère de la fonction professionnelle peut finir avec la contractualisation, j'ai la certitude qu'au niveau de l'éducation nationale, mhm. vraiment, s'ils respectent leur planification, mhm. dans quelques années, on va vraiment finir avec ça. Merci, beaucoup. Docteur Amadou Abdouali, il a d'abord parlé de la catégorie de ses enseignants. C'est vrai qu'ils vont à la fonction publique. Ils seront des fonctionnaires de quelle catégorie Catégorie B1, puisque donc ils font un an de formation après le bac au niveau de l'école normale. Donc la deuxième année, c'est sur le terrain en stage mhm. pratique. Et c'est une fois ce stage pratique-là validé qu'ils seront instituteurs titulaires. Mhm. Mhm. Ce ne sera pas comme les gens qui ont le niveau BTS non, c'est pas, pas, ça ne va pas être la même chose. Mais une fois Parce qu'à partir du, à partir du BTS, on intègre déjà la catégorie A3, c'est ça. Ce n'est pas le même système. Donc, ils, seront B1 instituteurs. Mhm. Oui, c'est une année de formation à l'école normale, mhm. c'est une année. Donc on suppose qu'ils vont avoir le niveau Bac plus 1, c'est oui, c'est le niveau Bac plus Ce qui va leur donner la catégorisation B1. Voilà. Par rapport euh, aux au matériel euh, qu'il faut utiliser, il dit qu'il y a des enseignants qui n'ont pas euh, accès à ces livres qu'ils doivent utiliser pour renforcer la qualité de l'éducation. Merci. Dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, donc... Mhm. Euh, nous nous sommes focalisés sur les intrants pédagogiques. Mhm. Donc, nous savons que <coughs> certains documents que nous avons, certains manuels que nous avons ne sont pas adaptés. Mhm. Donc, le programme au primaire a été rénové euh, la première fois en 88. Mhm. Donc, après, il y a eu un autre programme rénové euh, sur lequel nous sommes en ce moment. Donc il faut revoir euh, la qualité de nos documents. C'est mhm. important pour les apprentissages. Mhm. Il faut que ces documents soient en lien avec notre contexte. Mhm. Et nous sommes en ce moment dans la relance de la réforme curriculaire. Nous avons fait une expérimentation que nous avons évaluée et nous allons généraliser cette expérimentation de la réforme curriculaire avec une entrée par les langues nationales au niveau des premières classes d'apprentissage. cest mhm. Donc cela le, CIE, le CP. CICP, e, c'est un des trois premières classes. Mhm. Cela va nous amener à revoir nos manières mhm. que nous avons au niveau de notre système éducatif. Et en ce moment, un comité est en train de travailler sur euh, les livres de lecture, parce que comme vous le savez, c'est un grand problème la lecture au niveau de notre système éducatif. Les méthodes que nous avons, il y a eu la méthode syllabique, euh, la méthode globale, ce ne sont plus des méthodes adaptées dans le contexte du 21e siècle. Faut donc de nouvelles pratiques euh, pédagogiques innovantes mhm où à travers un processus d'encodage et de décodage, l'élève peut arriver facilement à apprendre et à comprendre les textes. Mhm. Donc nous sommes sur ce chantier en ce moment au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Docteur Amadou oui, Abdouali, oui justement, vous parlez, puisque vous avez en charge la qualité de mhm. l'éducation au Niger, mhm. il y a certains enseignants justement qui font remarquer qu'au niveau de la lecture euh, syllabaire, les livres pour lire et pour écrire de l'INDRAP ne conviennent pas et ils, préconisent beaucoup plus souvent la famille Bouddha qui n'est pas par exemple exemple, livre inscrit dans le programme euh, officiel. Oui, il y a toujours ce débat-là sur euh, les méthodes, euh, au niveau mm. de la méthode syllabique et de la méthode globale. Donc, pour lire et écrire, quand vous l'appréciez, vous constatez qu'il y a des insuffisances, parce mm-hmm. que dans la méthode d'apprentissage, pour lire et écrire, il y a une étape qui est la méthode qui consiste donc à englober certains aspects qui n'est pas prise en compte. Mhm. Donc c'est sur ces aspects-là que nous travaillons dans, pour lire et écrire. C'est la méthode combinatoire, c'est ça que je cherche. Mhm. Donc c'est cette méthode combinatoire donc euh, qu'on ne retrouve pas dans pour lire et pour écrire mhm. au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc sous l'égide du secrétaire général adjoint qui est un spécialiste. Donc il y a un comité qui est en train de travailler sur de nouveaux manuels qui prennent en compte les insuffisances de ces manuels-là que nous avons pour avoir une méthode adaptée de lecture pour nos apprenants. Est-ce dans la perspective de l'échanger, puisque ces manuels ont duré, se rappelle plus de 20 ans que... dans la perspective de l'échanger, parce que en ce moment, euh, on a déjà fini la rédaction de niveau CI et CP, mhm. donc pour les nouveaux manuels de lecture, et bientôt, ces manuels seront édités et mis à la disposition des apprenants et l'accès aux livres des enseignants, les livres spécifiquement dédiés aux enseignants qui facilitent la compréhension. Tous ces livres sont accompagnés de guides mhm. pour les enseignants, donc qui permettent de bien les exploiter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réformes alors, euh, oui, docteur, euh, des réformes importantes au niveau du ministère Il y a d'autres réformes au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mhm. parce que nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'ère du numérique, mhm. et vous savez bien qu'on ne peut pas faire de l'éducation sans le numérique. Au ministère de l'Éducation nationale, nous mettons la accent sur la numérisation des enseignements apprentissage mhm. à travers la mise en place de plateformes d'apprentissage en ligne. Mhm. Vous avez déjà euh, l'exemple de mon école numérique où les élèves ont reçu des tablettes mhm. sur lesquelles il y a des supports pour apprendre. Ça concerne quel niveau d'enseignement C'est le niveau euh, collège pour l'instant mhm. de certains établissements euh, de la contrée de Niamey. Mhm. Pour le moment, il y a une phase expérimentale. une phase expérimentale pour certains établissements à Niamey, où les élèves ont des tablettes avec des supports pour apprendre. Il y a aussi euh, le portail du ministère de l'Éducation nationale qui est mis en place donc c'est un portail euh, numérique où on va trouver toutes les ressources mhm. numériques et pédagogiques euh, du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur général, il y a également la réforme en lien avec euh, le maintien de la scolarisation de la jeune fille, c'est cela Oui, c'est aussi un aspect important et cher au président de la République. il a toujours dit dans ses interventions, donc plus la fille est retenue mhm. dans le système scolaire mhm. et on a un impact sur les dividendes démographiques. Mhm. Donc, euh, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs mesures sont prises pour maintenir euh, la fille dans le système éducatif. Mhm. Il y a eu l'internat fille de Kelly, département de Gouré par exemple, dans la région de Zander. Est-ce que ça aboutit Les résultats sont très satisfaisants au mhm. niveau de l'internat euh, de jeunes filles. Mhm. Vous avez cité celui de Kelly où nous avons plus de 300 filles donc, qui suivent une pension complète, c'est-à-dire logées, nourries dans, dans, cet établissement. Ça veut dire, qu'elles sont prises en charge par l'État Elles sont prises en charge à 100% par l'État. Oui, oui. Et récemment, nous avons inauguré à Mougia Mm-hmm. le deuxième euh, internat pour les jeunes filles. Mm-hmm. En ce moment, il y a cinq chantiers d'internat pour les jeunes filles, dont celui de Nanchandou qui sont mm-hmm. en construction. Et n'oubliez pas que le président de la République a décidé d'en faire au moins une centaine pour euh, non seulement favoriser l'accès des jeunes filles, dans le système scolaire et aussi leur maintien dans ce système. Qu'en est-il euh, de l'accès au niveau de ces internats, puisqu'il y a une prise en charge qui est là 100% assurée par l'État Il y a une prise en charge, nous savons bien que c'est... Est-ce qu'il y a un mérite euh, que vous recherchez avant l'accès Il y a des critères euh, mhm. pour prendre ces filles au niveau de ces internats. Nous savons bien que certains élèves, après euh, le passage en sixième, mhm. ils ont un collège qui est parfois à 10 km, à 15 km de leur village. Mhm. Donc ils font des déplacements journaliers incessants, mhm. ce qui est pénible. Donc nous prendrons en compte donc l'éloignement de ces filles-là pour les maintenir au niveau de ces internats-là. Monsieur Mahmoudou Issakra, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN, est-ce que vous avez des recommandations particulières à faire à l'État par rapport à, toutes ces réformes Bien, par rapport à toutes ces réformes, oui. La première des choses, c'est ce qu'ils ont commencé en rehaussant le niveau d'intégration des enseignants. L'État doit continuer. Le but souhaité pour nous, c'est vraiment défini avec la catégorie C1, l'instar adjoint à terme, doit disparaître au Niger. Mhm. Qu'on ne parle plus d'un mais que si possible, que l'ensemble des collègues, des mhm. camarades qui sont sur le terrain au niveau de l'enseignement primaire puissent être au moins des instituteurs. Autrement dit, il faut recycler ceux qui sont déjà sur le terrain mhm. pour qu'ils aussi puissent un peu évoluer dans leur carrière et accéder au grade d'instituteur. Ensuite, En ce qui concerne la, la question des encadrés pédagogiques, vraiment aujourd'hui, tout le monde s'est plaint du manque de moyens, que le ministère fasse l'effort vraiment pour que les encadreurs pédagogiques, les conseils pédagogiques, les inspecteurs pédagogiques, vraiment qu'ils aient plus de moyens pour assurer. Tant qu'il n'y a pas d'encadrement pédagogique, tout ce qu'on va faire, ça va tomber à l'eau. Il faut mhm. forcément qu'il y ait de l'encadrement pédagogique. Et j'insiste encore sur le respect vraiment des accords avec les partenaires. Et donc, les grèves et autres là, on peut bel et bien les prévenir à travers le simple respect des accords avec les partenaires. Et le plus souvent, nous voyons les, les, réformes, euh, juste les documents finaux, le programme rénové par-ci, par-là, qu'on nous demande d'appliquer à la fin, la mise en œuvre va être un problème. Donc mhm. vraiment, nous aurions souhaité que chaque fois qu'il y a réforme, c'est un appel que nous lançons, que nous soyons vraiment impliqués dans tout le processus. Mhm. C'est votre attente alors l'attente, merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème un an de mise en œuvre des nouvelles réformes dans le système éducatif au Niger, quel bilan nous retenons que plusieurs réformes sont actuellement en cours dans le domaine de l'éducation au Niger. Il s'agit entre autres de la professionnalisation du corps enseignant avec désormais le niveau baccalauréat au lieu du BPC pour l'admission dans les écoles normales de formation des instituteurs, la perspective de mettre fin à la contractualisation dans le secteur de l'éducation, le projet de construction de modèles alternatifs de classes pour remplacer les classes payotes au nombre de plus de 35 000 dans le pays, la construction d'internats pour jeunes filles, etc. Il faut rappeler que le taux de scolarisation au niveau du primaire est de 68% au Niger, selon le ministère de l'Éducation nationale, ce qui suppose qu'environ 2,5 millions d'enfants en âge d'aller à l'école au Niger n'y vont pas à l'heure actuelle, malheureusement. Vous avez suivi avec nous des explications sur les efforts en cours pour corriger tout cela et des analyses en faveur d'une éducation de qualité pour tous au Niger. Nous disons merci à nos invités. Nous étions en compagnie de Dr Amadou Abdou Ali, directeur général de la promotion de la qualité au ministère de l'Éducation nationale et Mahmoud Issaka, secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN. E au micro, c'était Michel Deji pour la modération de ce forum à la technique Amina Hassan. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.